Depuis le samedi 24 février, j'ai été saisi d'une opération de terrassement et de lotissement du domaine public maritime que vous avez constaté avec nous ici. Sur 2 km, il y a des individus qui ont posé des bornes de terrain de 20 sur 20 dans une zone classée zone sensible et protégée par le code de l'environnement. Ils ont pris du sable dunaires, ils ont déplacé des dunes, procédé à des terrassements, menaçant tout l'écosystème. Présentement, cette attitude peut être considérée comme un crime écologique. Au vu des lois, au vu des règlements, au vu du Code de l'environnement. Mais pire encore, les auteurs de cette forfaiture, en l'occurrence M. Pam Diop, premier secrétaire élu du conseil départemental de Thiès, qui a été nommé à la tête d'une commission ad hoc chargée des affaires maritimes pour le compte du président du conseil départemental Idrissa sec lequel a délégué ses pouvoirs et prérogatives à son premier vice-président Yanko Diatara, qui a institué cette commission clandestine. Quand on crée cette commission, dans un premier temps, il nous avait servi une délibération du conseil que j'avais dénoncée avec force détail que vous voyez ici. Et cette délibération-là, lorsque je l'ai dénoncée, j'ai pris un huissier pour servir une sommation interpellative à M. Yankobo Diatara dans son bureau, qui s'est débiné et par la suite, il a mis euh, euh, sur, place cette commission ad hoc que M. Pam M. Diop dirige. Je me posais beaucoup de questions, à savoir quels sont les motifs, quels sont les mobiles de cette forfaiture. En voilà maintenant les raisons. Eux, faisant fi du code de l'urbanisme, faisant fi du code général des collectivités locales, faisant fi du code de l'environnement, ont procédé à une agression d'une zone protégée. Ça, c'est un crime. Ça, au-delà d'un délit, c'est un crime passible de poursuite. Voilà pourquoi, avec les collègues conseillers départementaux, président de commission de l'urbanisme de l'habitat, Madame Nogay Diop Mbake, Monsieur Aline Fall, Mme euh, euh, vice-présidente de la commission de l'aménagement du territoire, Mme Khadid John, chargée de mission à la primature, et d'autres conseils qui sont là, certains sont en route. Nous avons constaté cette forfaiture et nous nous y sommes opposés avec la plus grande énergie. Le conseil départemental s'est réuni en session pour voter une résolution pour la protection de l'environnement. Cette résolution, dans ses dispositions, avait prévu la protection du domaine public maritime et du massif du plateau de Thiès. En faisant cet acte, les membres du bureau du conseil départemental ont trahi la confiance du conseil départemental. En faisant cet acte, les membres du conseil départemental ont montré un acte de banditisme suprême qui vise à créer un danger, un drame écologique au niveau du département de Thiers. Et là, nous nous érigeons en bouclier pour le faire face. Dans un premier temps, les conseillers seront tous sensibilisés. Voilà l'objet de cette démarche. Dans un second temps, nous allons convoquer les dispositions des, des articles 34 et 45 du Code général des collectivités locales pour qu'il y ait une session extraordinaire dont le tiers du Conseil portera une signature afin de convoquer ça. Après, l'article 34 sera visé pour, dans un premier temps, demander le blâme de ces auteurs de forfaiture, mais au-delà aussi, dès l'instant que l'article 34 dit que le président prépare, exécute les délibérations, nous proposerons une délibération le demandant de démissionner. Avant de faire une délibération pour engager des poursuites contre les auteurs de ce crime odieux. Voilà, mesdames, messieurs les journalistes, ce qui guide les pas de ces braves dames, de ces braves monsieur. Certains ont laissé même des élèves dans leur classe. Elle, elle est venue avec son enfant c'est parce qu'elle est déterminée. C'est parce qu'elle refuse une telle forfaiture. Nous savons que le bureau du conseil départemental n'est pas à sa première expérience. Depuis 2-3 ans, je suis en train de, avec d'autres collègues, de dénoncer plusieurs forfaitures. Au moment où je vous parle, depuis une année, les conseils n'ont pas perçu leur indemnité et frais de déplacement. Idriss Sasek leur doit 11 millions. Il ne peut pas leur payer cela. Vous regardez les comptes administratifs. Je vais partager ça avec vous dans vos mails. 2014, 2015 et 2016. Le conseil, tous les dons élects reçus de Toscane, 100 millions pour l'hôpital régional. De Midi-Pyrénées, 10 000 euros pour le centre de Serigne Mormbay, ami de Idrissa Seck. Le 200 000 euros des Allemands pour le plateau du massif de Thiès, ça ne figure nulle part dans les comptes administratifs que je viens de vous citer car le cumul des dépenses d'investissement fait 128 millions et l'ensemble de ces recettes que nous avons obtenues dépasse largement 400 millions si on y ajoute le CM inclusif de Fayu qui coûte 200 millions. Donc au regard de tout cela, nous constatons que dans le conseil départemental, l'organe exécutif, à savoir le bureau, joue la place du, euh, euh, du, du, PR, du comptable public, Seule habilité à recevoir et à euh, dépenser les recettes des collectivités locales. Je vous, je vous renvoie au Code euh, général des collectivités locales. Toute autre personne le faisant peut être considérée comme étant un comptable de fait. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour cela qu'ils ont pris ces, ces dons dont le Conseil n'a jamais vu la trace. On ne nous a jamais présenté de protocole signé avec Toscane. Ah, euh, je pense que les conseils peuvent être témoins de cela. Jamais on nous a présenté d'accord qu'ils ont reçus qui ont permis ces subventions dans le Conseil. Nous n'avons jamais délibéré pour accepter ces dons. Nous n'avons jamais délibéré pour leur destination. Donc quelqu'un d'autre les a détournés. Et ça ne peut être que l'organe exécutif. Je vous dis qu'ils ne sont pas à leur première action. Ils avaient utilisé les deniers publics du département, vous vous en souvenez, en utilisant le carburant, en utilisant les véhicules et que nous avions dénoncé en son temps. Donc voilà des gens qui, à chaque pas qu'ils prennent, ce n'est pas pour déstabiliser les intérêts économiques et les intérêts environnementaux et les intérêts sociaux des populations du département de Thiès. Mais nous trouverons sur leur chemin et nous leur ferons face. Et pour terminer, je lancerai un appel à M. Idriss Sek. Payez les conseils départementaux ce que vous leur devez, les 11 millions. Je lui demande d'être beaucoup plus regardant en ce qui le concerne lui. Comme le dit l'adage Olof, Digle Tiangay Sangol Basset. Lui, il a, passé ses actes posés par ses collaborateurs, montré l'étendue de son incompétence sur 10 km. Il a montré l'étendue de leur turpitude. Et ils ont montré le véritable visage, c'est-à-dire un visage qui vise à trahir les intérêts des populations de Thiers. En cela, nous le dénonçons avec force détail et nous l'appelons à être beaucoup moins bavard, car en politique, il aimait souvent le dire il y a 10 ans, la valeur d'un homme politique ne se mesure pas par la longueur de sa bouche, mais par la taille de ses militants et par la confiance de ses administrés. Nous sommes ici, ànd ak yéen ñun conseillers départementaux yu am jot informé ñu de ci ñoom nga président commission yu commission, ñu

gëm nañ ne benn autorité administrative yëgu ko ndaxte ku xam ne fii zone sensible la code de l'environnement moo ko aar doo am sañ-sañ am fit naan da ngay def loolu. ba ngeen fi ñëwee gis ngeen ci ñaari kilomètres ñu teg fi ay bornes def ay terrain parcelle deux cent quatre cent mètres carrés lu fi nekk jege na deux cent parcelles léegi loolu ñoom bañ ko defee ñun ñu constaté ko xam ne lii jaaduwul ndaxte yoon yépp dàq na ko ci la ñu daje.

bi kenn kenn kenn le ko naw kenn fait, conseil bi defoon session boo fait résolution Dans dañuy domaine public maritime dans massif du plateau de Thiès nous ben, ñu présenté une résolution Nous ñoo domaine public maritime Nous avons des tas de si nous ko des di bornage ben conseil du ci am donc buñu ñu session dinañu xol nan lañ leen di sanctionner administrativement suñu paré xol yane poursuite judiciaire nous engagé léegi bu nous wesso amna ku fi ñu xaar ba di réagir ñukay avons ni le 5 novembre 2016 Nous nañ un rapport qui nous fait xew wax ni at bu conseil bi 200 millions en termes de redevance pour occupation du domaine public maritime dénoncer occupation clandestine et yi fi rapport imagé et circonstancié ba ñu ko fait une session pour ñu voter. ko président ba nous nañu doo leen ko fi nous boobu ñun xamuñoon lan moo taxoon mu koy wax waaye tey ku gis lii xam ne lii moo ci nous ñu quelques jours nous di créer une commission clandestine Le premier secrétaire élu ba le président le secrétaire général conseil nous avons xamante ni collaborateur rapporteur xam loolu dèjà dafa tey xel ma yóbbu ko ci yoon ba ñu demee ba ci biir mu daal di dellu ginnaaw def commission ad hoc mais commission adog boobu moo def tey njombe gi ka ko jiite Pa Moussa Diop moo fi indi camion draanam doon maasale suuf si léegi nag ñoom ba ñu yëgee ni yëg naa ko ba ma ko dénoncé ñu daw si di jouer cinéma di indi ay détails naan Weer Bambilor moom moo doon jaay suuf si ay américain ñu ñëw ne dañuy limité ba euh, domaine public maritime le conseil est organisée autour d'un organe délibérant et d'un organe exécutif. organe exécutif de exécuter. conseil ba mooy délibéré. le mhm. conseil bi musul délibéré Vous bu fekkee am na nañ preuve bi. conseil Vous musul waxtaanee li. bu fekkee am na nañ génne preuve bi bu fekkoon Vous na duñ sañ a ñëw kon loolu buñ ko defee forfaiture boobu ñun dañuy taxaw parce que lii ñu yakalu ñu rek conseil yi mais dañuy yakal population yépp yu nekk département Thiès dégg ngeen lu ñuy wax érosion mbarit gis ngeen la xew géej ndar waa géej ndar yépp di bëgg a dee lii moo ko ili yow boo demee nga tibb ci dunes yi ngay protéger avancé de la mer ñu ne da ngay terrasser yow sa projet de lotissement te yow service technique yi ñu la avis conforme yow service kii euh, euh, waa Caras ñëwuñu fi yow ak sa benn groupe ñoom ñoo fi ñëw daat koy def mais da ngeen a yabaate loolu ne moo ñun ñu taxaw daal ne lii moom day dakk sakk dañ ko fiy jële te ña fi def dañ leen topp ba kulli koro. te nga ngeen ñan ci si am ay ay ay am na ay borom tur pour l'instant dañuy dañuy dañuy noppi parce que xamuñu lan la ñu seq ak ñooñu mais gis nañ leen fi sax keroog ba ba ma dénoncé affaire bi ba waa gendarmerie ñëw fi brigade de je les remercie au passage de Kayar waa mairie Kayar ñëw fi ak autorités yu bëri ñëw fi gis nañ bett nañ fi benn kilifa gu mag ci réew mi

manuel ñooñu en premier lieu comme les principaux responsables